Assalamualaikum askanu Senegal, Assalamualaikum askanu Mbaw Assalamualaikum wa diaspora bi ni seetaan maa ngi leen di nuyu nuyo bu gëna sel ku ci nek ci turam ak santam Ma ngi tuddu Madior lum, nek njitu jeune fi ci Mbaw ñu koy woyé GPS bu Mbaw jeunesse patriotique du Sénégal sama waxtan nak bala mo bala ma ci àddu di ci commencer damay adresser un message de soutien message de soutien à nos prisonniers politiques notamment Assane Dramé su ma nee Assane c'est un jeune boo xam ne fii ci mbaaw la dëkk te mu bokk ñoo xam dañ leen par rapport à li ñuy farce spéciale ñu jël len yobul len ci yoon né dañuy comploter contre autorité de l'État dañuy def association de malfaiteurs donc ñu wax dara te duñu sanni message de soutien ñooñu non la xamné ñu ngi nekk ci kasso bi benen bi moy lu yàggul dara démb rek tàmbali nañu programme wër nomba ndaxte jeune yi fii instant yu ñu toll nii ñun kenn duñu divertir état bi mu ngi def lu nekk di sànni ay ballon de sonde pour di divertir démb moo ci mujj dum ci ñëw programme wër nomba boobu noonu dafa fondamental parce daf permettre ndaw ñi la pièce d'identité ndaw ñi la du point de vue de pourcentage de ñoo Sénégal ñu une pièce d'identité inscrire leen la liste électorale pour que nous puissions voter donc ce lu am solo la te du ñak nous xam dañ koy gëm ñun ndaw ñi ñun président Ousmane Sonko en 2024 Nous sommes des nous te du nangu comme divertir ñaata scandale notre soi-disant autorité judiciaire ne tek tekkaaral ci Sénégal nous dafa am lo xamné ne dañu ko scandale ñaari semaine wax mais man dem ci ñëwaat ñaar ba ñett scandale 94 milliards yi fu mu mujjee furaas kiñ ko jiñ mu ngi doxé ay soxlam scandale orix yi la xamné suñu xarit bi dend ak ñun furaas mu ngi dox ay soxlam du yoon 45 milliards contrat de port d'armes suñu xarit bi dënd ak ñun mu ngi fi di doxi ay soxlam furas. lolu faté wuñu ko mais bi si mujjee mooy lan moy scandalu terre bi lu muy wone ñun fi ay dem lañu si suñu dëkk bi ay dem lañu ci suñu dëkk bi la xamné fi lañu la juddoo fi la ñu yaroo la le président Ousmane Sonko il a un projet libérateur projet qui ñuy permettre nooteel nous nous ñu dund depuis les années 60 ou même bien avant nooteel boobu mën nous dañ mhm. état bi nous lu pour que nous continuer di nous ci privilège Nous, nous jeunes nous ñun nous Pastef jaral nañu lu ko raw même joxe suñu bakken pour que lool non mën dañ donc si cadre yooyu non la woté woote wax résistance la xamné constitution bi moñ ko may muy un droit constitutionnel un droit naturel un droit individuel di woté xex ku ñu noot ba nga xamné note lañ la am nga droit fipu ñun duñu bokk nak ñuy tal réew mi il faut que ñu préciser loolu ñun Pastef bokkuñu ñoo xam ne dañuy taal réew mi di ko ndamoo mais nous am nañu droit défendre suñu réew. oui moo waral résistance bob non. donc ci côté boobu benn borom xam-xam dafa wax lu am solo mu tudd Boubacar Boiré néna l'avenir c'est la jeunesse L'avenir.

di wo sama jeunes wo woo surtout jeunesse patriotique du Sénégal ne buñu ne nangu kenn di divertir wo nañu ci ay procès soi-disant bleu deux buñu ne nangu kenn di divertir ndax lool yépp ay diversion la parce que le but le principal objectif moy déclarer le président Ousmane Sonko inéligible ñun xam nañ né lool lañ bëgg te ñun loolu duñ ko may donc di delluwaat rek di wootewaat jeunes yi ñu taxaw temm te xam défendre suñu réew daf ñu jaral ben. daf ñu jaral fukk daf ñu jaral ba bàyyi fi suñu voilà. Mesdames et messieurs les journalistes. Euh, nous nous réjouissons particulièrement de votre présence ici à Mbao, après avoir accepté l'invitation de la section communale PASTEF de Mbao. Et vous avez sans doute deviné que nous allons échanger autour de questions aussi importantes que le renvoi auprès de la chambre criminelle du président Ousmane Sonko. Comme vous le savez, depuis le 17 janvier dernier, le juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a cru bon de renvoyer le dossier suite Botti à la chambre criminelle, malgré bien évidemment les bizarreries que tout le peuple sénégalais a constatées dans ce, dans ce dossier, malgré l'absence de charge sur les épaules du président Ousmane Sonko, mais cela ne saurait nous étonner ni nous surprendre dans la mesure où, en face de nous, nous avons un pouvoir qui, s'adossant à une justice qui, a été toujours utilisée par les pouvoirs qui se sont succédés à la tête du Sénégal, ce pouvoir, disais-je, n'a qu'un seul objectif, c'est d'éliminer un adversaire irréductible à la course justement à l'élection présidentielle de 2024. Cette justice qui, après avoir été instrumentalisé en 1962 par le pouvoir de Léopold Sédar Senghor pour s'attaquer à Mamoudou cette même justice, après avoir été utilisée par le pouvoir du Parti socialiste durant le règne d'Abdou Diouf contre son opposant Abdoulaye Wade, c'est cette même justice qui aujourd'hui cherche a éliminé l'ultime espoir du peuple sénégalais. Et comme vous le savez, ce pouvoir a essayé au mois de mars 2021, dans un premier temps, de faire suivre Ousmane Sonko après l'élimination de Karim Ouad et de Khalifa Sall à la course à l'élection présidentielle de 2019, ce pouvoir en 2021, donc au mois de mars, a cherché à utiliser les mêmes moyens pour éliminer Ousmane Sonko, mais le peuple sénégalais, dans un seul élan, comme un seul homme s'est levé pour constituer un bouclier contre Ousmane et a simplement dit à ce pouvoir-là qu'il n'acceptera jamais que l'ultime histoire espoir soit éliminé comme il l'a fait avec ses prédécesseurs. Ce premier signal, qui devait constituer bien évidemment une leçon pour le président Macky Sall et son pouvoir, n'a jamais été une leçon. Car le 17 janvier, je vous l'ai dit tantôt, le juge Maham Diallo a cru bon de renvoyer cette affaire sordide et vide devant la chambre criminelle. Et le peuple a ensuite donné un autre signal le 22 janvier passé à Kermassar, mobilisant pour être beaucoup plus prudent plusieurs centaines de milliers de Sénégalais sur la place Yekini, sur le terrain Yekini, pour dire encore une fois au président Macky Watawat, nous n'accepterons pas que vous, cherchiez à éliminer Ousmane Sonko. C'est pour dire simplement que le peuple a lancé ce message-là, puisqu'il est prêt, ce peuple, à pardonner à Macky d'avoir échoué sur le plan économique. Ce peuple est prêt à pardonner à Macky Sall de n'avoir pas pu créer suffisamment d'emplois pour ses jeunes. Ce peuple est prêt même à pardonner à Macky Sall d'avoir eu des choix inadaptés aux priorités sur le plan infrastructurel. Ce peuple est même prêt a pardonné à Macky Sall de n'avoir pas pu avoir une bonne politique agricole, mais ce peuple ne lui pardonnera jamais de brûler ce, pays. Car nous n'avons que cette patrie, le Sénégal. Et ce pays, nous ne pouvons le changer que dans la paix. Voilà pourquoi, ici à Mbaou, nous voulons lancer un message solennel au président de la République pour lui demander de revenir à la raison. Je ne sais pas par quoi ces gens du pouvoir réfléchissent. Personnellement, je ne sais pas s'ils réfléchissent par le cerveau ou par la moelle épinière, mais en tout cas, nous leur demandons simplement de revenir à la raison. Parce que nous n'avons que cette patrie et nous voulons la changer. Et l'ultime espoir qui se trouve être Ousmane Sonko, dont le projet est bien assimilé par l'écrasante majorité des populations, cet espoir, ce peuple a décidé de le protéger. Il le protégera contre vents et marées. Ce ne sera pas les armes qui vont trancher ce débat-là. Entre une population déterminée, debout, et un pouvoir boulimique, restrictif de liberté démocratique, les armes ne pourront trancher. Le peuple sénégalais va prendre ses responsabilités, va faire face aux manœuvres et manipulations en utilisant cette justice qui a fini encore une fois de se décrédibiliser aux yeux des Sénégalais ce peuple, disais-je, va faire face et protégera cet ultime espoir qu'est Ousmane Sonko. Voilà pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Nous espérons bien que le président de la République entendra cet appel que nous avons lancé. Et les populations de dans leurs différentes composantes, ont décidé de s'adresser au président de la République et à son pouvoir. C'est ainsi que tour à tour, nous aurons les anciens de notre parti ici à Mbao, représentés par Mohamedou Makhtar ici présent, nous avons la jeunesse patriotique du Sénégal avec son coordinateur Major Loum. Nous avons également la représentante des femmes, Dr Awandoy, Madame Diaye, qui est ici présente, qui certainement nous donnera d'autres éléments techniques qui du reste sont assimilés par le peuple sénégalais. Mais en tout cas, tour à tour, ils prendront la parole, ils s'adresseront au peuple d'Embaou en particulier, au peuple sénégalais d'une façon générale. Mais avant qu'ils ne prennent la parole, le vice-coordinateur de la section communale d'Embaou s'exercera à résumer ce que nous venons de dire en Wolof pour que ce message soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus transcrit auprès des populations du Sénégal. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Cheikh Mohamed Mbaye, le vice-coordinateur de Mbao, qui va s'adresser aux populations du Sénégal et aux populations de Mbao en particulier. Cheikh, tu peux venir te mettre là. Salam alaikum, Salam alaikum, Sénégal. ak sunu mbokk sénégalais yi nekk bitim réew ndax dama njort ni eh, jamono yi ñuy wax képp ku kuy ci sa kàddu danga koy jëmale ci képp kuy Sénégal yéen ñi fi nekk it ñoo ngi leen di jaajëfal muy góor ak jigéen mag ak ndaw mbooleem seen di leen ñaanal jàmm dama jàppoon sax ni après la déclaration très percutante et pleine d'émotion du coordonnateur Moussa Fassari, avec le rendu fidèle du vice-coordonnateur, j'aurais pu peut-être m'abstenir de parler. De fait, fekk ni mbir soo ci bokkee su wax jotee soo waxulee day nuru neneen ba tax je prends la parole maa le jël kàddu fii par la grâce de Dieu et selon le bon vouloir du coordonnateur Moussa Fassari, ak ñëpp ñu bokk ci bureau communal de PASSEF de et au nom surtout des anciens de troisième âge nous les di magou magu Nous ñu magou Pastef même ñu nekkul Pastef nous sympathisant Pastef maa lay pour s'ani ay président Macky Sall aussi peuple sénégalais ni il y a quelques années euh, Sénégal ngi bu nous vivre une crise profonde surtout sociale et politique Et dara le les délires les élucubrations ay d'une jeune femme bi nga sax que Dieu m'en préserve manipuler di instrumentalisme, di instrumentaliser ay les ngir lenn wala Yalla, dafa def li ëpp ci Sénégal la ñu muy président Ousmane Sonko te ñoom dañu war sax am seet ba nu commencé di ko def ba léegi ba mu commencé ban ko radier yàlla dafa dafa def cofeel si ont Sénégalais yi ñu fal ko député suñu amee seetlu ñoom nekk nit bis bu nekk ñoo ngi posé ay acte pour jéem ko faagaagal pour jéem ko doyudil pour jéem a xajamal moom liggéeyam ak projet bu mu mais chaque jour que Dieu fait yalla def xolu sénégalais ñuy di jëm ci suñ doon nit a ba mu ñew sukk ci kanamam ni ko ñong lay jéggulu di la ax yow yaay a jox ko réew waye comme xeyna amuñu mat xeyna amuñu mat ñin mag ñi ni nous lançons ici et maintenant au président Macky Sall notre indignation la plus totale et la plus profonde ci li nga xamni dañu du Sénégal judo Sénégal màgge Sénégal de toutes ces humanités Djangé Sénégal diar université Saint-Louis ñëw nekk jaar ci daara bi gën a fonctionnaire yi école nationale d'administration génn inspecteur des impôts su ko est mu toog di dundee la muy liggéey am ci nag lu nekk waaye yàlla bindiwu ko noonu mu xool réew mi nu muy ñuy salfaañe alalu nit du di ko séddoo lenn ñu jox ko bitim gis dal manquement yi fi am mu commencé dénoncer ñu fi ko bundu xatal ko intimidation del passeport voyager durant deux ans dans ku ni wul daf la dal nam ko nonu la On la nu metti ñun mag mag ñun limay wax Macky su su fekkee ni moom xolam may na ko mu dóor ñu wala mu gaañ ñu na ko def su dul fii di fële daan ko layoo waaye daal dootuñu nangooti jigéen ñi di jóg xale yi di jóg ñun mag ñu ñuy nekk ci gannaaw loolu dama bëgg mu leer ci boppam may wax nag Sénégal yépp nag muy mag ñi muy mag ñi muy jigéen ñi muy ndaw ñi ñëpp ñu sopp Ousmane Sonko nekk ci biir Pastef wala bokk gëm projet am nekk ay alliés yàlla dafa ni du fay wax bàyyi jëf

maa ngi ñaan ñëpp ñëw sóobu ci liggéey bi ñu aar ñu aar président Ousmane Sonko ñu aar ko iir ko ni ko yàlla defee ko ba incha allahu élection présidentielle mu jël gàddu euh, euh, gi jël réew mi muy sunu mur, ñu muurloo ko ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. en même temps coordinateur de la section communale de Pastef Mbao. alors je je Professeur j'ai deux questions par rapport à ces séries de conférences de